Liguei jub doylu surtout doylu et jusqu'à présent elle me marque parce que elle est imperturbable parce que man si j'avais une mère fragile j'aurais raccroché depuis longtemps mais lu munti am ak lu cioli li bëri bëri bëri phrase lay euh, il suit son destin lu le tout nonu la elle ne dépasse jamais ça imperturbable. Et la deuxième, c'est ma grand-mère paternelle, qui était également une très grande dame. Elle s'appelait Fatou Boyan. On est rentré en Casamance en 82. Parce que moi, je suis né à Thiès. Ni tout Thiès là. Je suis <laughs> bien de port. Ah, ça, Thiès ça. ma grand-mère est beaucoup Donc. Euh, et quand on est moom la ñu fekk dañu ñibbisi mu tombeek nawet immédiatement mu yattal ñu kajandu xaw ma xam ngeen kajandu mooy li joolaay di béyee ne ne àll ba donc de 82 à 93 amul année boo xam ne ànduma ak moom dugg ci àll bi bay la l'année mu woon une femme brave liggéey su jógee tool ya toog na ci taatu làmp bi di saaf gerte dem jàkk ci julli elle était tout le temps de blanc vêtue et bi mu demee ba sentir ni jege na dafa ñëw fekk sama yaay mu ne ko kat yi dégguloon olof bu baax nag mu andi karkaalam mu ne ko man bu dee buggul kenn jënd tissu bii lañ may donc elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie jamais et cette femme là également m'a énormément marqué dans ma vie jàngal na ma liggéey jàngal na ma njub et jusqu'à la fin de sa vie c'est ce qu'elle disait donc la femme, sur ce plan sentimental, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris des femmes plus que des hommes. Euh,